honorable député, maire, chers collègues Babacar, Madame la directrice de Africa Speaker, Messieurs, Mesdames les maires, chers invités. C'est avec un réel plaisir en tant que membre de la représentante nationale que j'assiste à cette opération de redevabilité. Vous me permettrez de soulever une approche de taille. Le paradigme de management dans ce monde d'aujourd'hui à changer de contexte. On ne fait plus pour les populations, mais on fait avec les populations. Et monsieur le ministre, monsieur le directeur, que mes voeux vous suivent, j'ai dit monsieur le ministre par la suite, monsieur le directeur, recevez toutes nos félicitations d'accepter d'aller vers la redevabilité, de partager avec les populations cibles. Et en communiquant, j'ai dû observer la salle, nous ne sommes pas dans le folklore. La cible renseigne sur la qualité du résultat. Vous auriez pu mobiliser vos militants, vos amis, vos cadres seulement en que Il y a des Badjenogor qui sont des relais au niveau communautaire. Il y a des maires, il y a des techniciens, comme il y a des syndicalistes. Comme pour dire, vous invitez à passer au peigne fin la gestion de 2023. Mais vous me permettrez de transmettre le ressenti, en tout cas de nous, représentants nationaux. Quand vous êtes passé, quand votre ministère est passé, nous avons demandé que votre budget soit augmenté parce que des députés ont constaté des améliorations nettes dans ce qui se faisait. Même si, il faut le reconnaître, nous traversons aujourd'hui ces questions de changement climatique, où nous devons avoir une approche d'atténuation et d'adaptation. Donc c'est important d'impliquer les populations dans cette approche. Mieux encore, j'aurais bien savoir quel est l'espace créé de manière constitutionnelle ou institutionnelle entre la direction et les maires est-ce que de manière continue, pour avoir une approche proactive, permettre en amont d'échanger sur la cartographie des problèmes pour avoir renforcé le plan directeur de l'ONAS. Mieux encore, dans la communication, il va falloir aussi créer ce que j'appelle détailler ONAS. Aller dans des quartiers, permettre aux populations d'en parler pour éduquer les populations. Si vous curez, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et vous voyez, même vos, couvercles de régal, souvent en fer, sont volés. Au su et au vu de tout le monde, il va falloir qu'on éduque les populations, qu'on comprenne. Quand le président de la République, sur le référentiel du plan, plan Sénégal émergent, l'axe 2, met en supériorité l'assainissement, si ça ne suit pas derrière, quelle que soit la volonté du directeur, on risque d'être dans un éternel recommencement. Et c'est là où j'interpelle les maires, où j'interpelle les Badianougok. Dans nos quartiers, il va falloir qu'on commence à éduquer nos populations, à comprendre qu'eux aussi doivent participer. Combien de jours constatons que des gens, après avoir fait leur travail, viennent le faire verser sur les canaux Nous le voyons au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est un travail que nous devons faire. En tout cas, sachez que, monsieur le directeur, c'est une approche qu'il faut renouveler. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui gèrent les deniers publics à aller dans ce sens-là parce que l'une ne pas de du ndax les ressentis vous l'avez dit aujourd'hui 40 ans école c'est le ressenti meilleur baromètre li est meilleur baromètre moi assainissement relever super priorité mais aussi nous appeler les maires dans ce travail là accompagner dans cette logique là Nous impliquer les dans ce travail là par et c'est important parce que très souvent, les biaiser les politiques, nous sommes par parle. Alors qu'une fois élus, nous devons travailler pour tous les Sénégalais. Merci d'avoir pris cette hauteur, de comprendre qu'une fois élus, tous ces maires, quelle que soit leur corrélation politique, ce sont des démembrements de l'État. Et cela participe à créer l'atmosphère de travail, une confiance, et forcément nous allons vers des performances. En tout cas, nous saluons cette démarche et nous invitons tous cela à qui on a confié des responsabilités étatiques de, faire la situation et de permettre aussi que les gens puissent apporter des critiques pour qu'on puisse s'améliorer. En tout cas, Monsieur le Directeur, sachez que je serai votre porte-voix au niveau de l'Assemblée nationale pour que non seulement vous soyez renforcé, mais mieux encore, je suis membre de la commission des finances pour qu'une fois la loi de finances rectificative vienne, qu'on vous alloue énormément de moins parce que pour faire l'assainissement, il faut énormément d'argent. Je vous toutes mes félicitations et encore merci à ces maires qui ont fait le déplacement je passerai par le Benjamin Seydina parce que c'est important parce que si da ngay am aujourd'hui tous les maires devraient être là parce que nous, ne dama am soxla bi ñu toll bu ñu nga dem kon merci à ces maires qui ont fait le déplacement et encore ensemble pour l'assainissement mieux vu au Sénégal merci merci beaucoup Moussa